les mâles euh, placés dans les écoles de la commune euh, urbaine de Dogonduchi depuis l'année 2000 ont été mises en place dans le cadre des échanges entre la commune urbaine de Dogondouchi et la ville d'Orsay. La mise en place de ces malles découle du fait que au début quand les Orsayens venaient faire euh, leur voyage découverte, ils allaient un peu partout dans la ville pour voir qu'est-ce qui se fait et c'est ainsi qu'ils ont rendu visite à la bibliothèque de la mission catholique et c'est de là que sont parties toutes les activités qui ont été menées dans le cadre des bibliothèques scolaires, secondaires et ce que nous appelons au niveau des écoles primaires les malles bibliothèques. La première malle qui a été placée dans une école, c'était une malle contenant des livres qui sont venus d'Orsay. Donc de 2000 à aujourd'hui, nous sommes à 71 malles. Il y a aujourd'hui 71 malles qui circulent donc dans les écoles de la commune de Dogondouchi. Et l'objectif euh, qui était visé au début, c'était vraiment la lecture plaisir, c'est d'amener les élèves à aimer la lecture à lire. Et nous savons qu'en ce moment, dans nos élèves n'avaient même pas suffisamment de manuels scolaires. À plus forte raison, bon, créer le contact avec d'autres manuels qui ne sont pas scolaires. Donc c'est de là qu'est née l'idée donc de mettre en place un projet qui va permettre aux élèves d'aimer la lecture, de s'intéresser à la lecture. Et voilà, chemin faisant, les livres qui au début étaient achetés en France, aujourd'hui on n'achète plus de livres en France. Tous les livres sont achetés ici au Niger euh, donc euh, des livres qui vraiment cadrent avec euh, le contexte, avec notre milieu. En tout cas, qui sont vraiment à la portée de nos enfants et qui peuvent les amener à s'intéresser à la lecture. Et en plus de ces livres, chaque mal est doté aussi d'un dictionnaire, ce qui permet aux enseignants d'initier les élèves donc à la recherche des mots. Il y a également des livres pour les enseignants parce que les enseignants ont aussi des difficultés. Il leur manque des documents qui leur permettront vraiment de bien préparer les leçons. Et c'est ce qui a motivé donc l'équipe qui s'occupe donc du projet à faire des suggestions et aujourd'hui dans toutes nos malles nous avons des documents pour aider les enseignants à faire la préparation des leçons de français.